sens de ma présence est de soutenir et encourager cette dynamique de promotion de la finance islamique, surtout que le thème de ce forum s'impose de lui-même par les enjeux qui lui sont liés, puisqu'il porte sur le financement des grands projets en Afrique, Afrique de l'Ouest. Et c'est un thème qui me réjouit parce que les infrastructures constituent la base du développement. Il ne peut y avoir de développement sans route, sans autoroute, sans pont, sans chemin de fer, sans port ou aéroport, sans hôpitaux, sans centrales électriques, etc., etc., sans école ou université. C'est pourquoi les infrastructures occupent une place centrale

loolu nag bu ay yoon amul yoon yi nag catégorie yu bari la yoon yu ndaw ndawaan yi li ñuy wax des chantiers nga xam ne yoonu saret yoonu welo ba ci yoon yi rang senegal Sénégal yàggoon ne xam ay rang-rang rang-rang di rang rek di dem ah jóge ci yoonu rang jël yoonu tali ay tali yoo xam ne tam yu santoon njaay lañu ñu alors ba ci tali yu mag yi ba ci autoroute yi autorité def nañu ila touba ñu ngi ci ila kaola ndax euh, waxtu bi may wax ak yeen ñu ngi digënté mbour fatik ak digënté kaola ak fatik su bobu paré directeur Moussa Sila wax na ko sama natango sama xarit ñu ngi waja tambali autoroute Dakar tiwawon ndar su ko defee dem bi ak dëkk bi day yomb ci Sénégal kenn dootul sore te kaw gi moo dootul am parce que phénomène kaw gi ak taax loolu lañ bëgg a dindi Sénégal ci plan sénégalais même parce que bu fekkee taax bu njëkk ba étage fii la daan am ci capital léegi boo demee ci village yi da nga fa fekk ay taax étage R plus un R plus deux bu yoon yi amee réseau téléphonique am courant am ndox am kon fenn nekkatul àll donc premier il est heureux donc que le thème du forum mette en perspective la dynamique sous-régionale parce que sans infrastructure l'intégration africaine restera toujours un vœu pieux un rêve jamais réalisé il faut que nous puissions voyager d'un pays à l'autre, que nos marchandises puissent voyager d'un pays à l'autre. Voilà pourquoi nous avons construit le pont de la Sénégambie avec nos parents de la Gambie, que je salue au passage, et que nous exécutons en ce moment le, pont de Rosso, également avec nos parents de la Mauritanie, que je salue. J'ajoute également le pont Nelson Mandela de Fundjoun, déjà achevé qui contribue à fluidifier le trafic entre le Sénégal et la Gambie. Et je n'oublie pas la réhabilitation du chemin de fer qui reste parmi nos priorités et surtout le projet d'autoroute Dakar-Saint-Louis, je l'ai dit, en passant par Tuaon, dont le financement est déjà en cours de mobilisation. L'autoroute Ilatouba, le train express régional, les chantiers du BRT et l'autoroute mbour en cours de réalisation constituent également des marqueurs de notre foi dans les infrastructures comme levier de développement. Cependant, nous savons que les infrastructures coûtent cher, même très cher, mais c'est le prix à payer pour le développement. C'est là justement que la finance islamique doit jouer pleinement son rôle de catalyseur de croissance et de progrès. selon le rapport 2021 de l'Islamic Financial Services Board, le volume total des actifs financiers islamiques s'élève à 2698 milliards de dollars américains dont 1841 milliards pour le secteur bancaire et 689 milliards pour le marché des soukouks. 689 milliards de dollars. Alors, 143 milliards de dollars pour les fonds islamiques et 23 autres milliards de dollars pour le secteur des assurances islamiques, communément appelé takaful » si la finance islamique a cours dans certains pays asiatiques en particulier, à forte majorité musulmane, elle progresse également dans d'autres régions où l'islam n'est pas la religion dominante. C'est le cas notamment du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud. Par contre, l'Afrique subsaharienne reste encore le parent pauvre de la finance islamique. À titre d'exemple, sur un potentiel de 4 000 milliards de dollars de transactions, moins de 5% vont à l'Afrique de l'Ouest, essentiellement dans trois pays, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu au Mali et au Togo. cinq pays. 5% de 4 000 milliards de dollars. Vous voyez ce que ça fait. Donc il y a du potentiel important encore à développer dans la finance islamique. S'agissant du Sénégal, en particulier l'expérience euh, apportée, vous l'avez rappelé, sur trois émissions sous-régionales d'un montant global de 630 milliards de CFA, notamment en 2014, 2016 et 2022. Mais de l'avis d'experts, notre pays pourrait mieux faire en matière d'émissions de soukouk, adossées à de nouveaux investissements rentables. Je félicite le ministre des Finances pour ce qui a été fait, ainsi que la BIS qui l'a accompagné. Mais nous pouvons aller plus loin en adossant à des investissements rentables ces levées de financement, comme les autoroutes à péage. Nous allons faire Dakar-Saint-Louis une autoroute à péage sur 30 ans pour lever des financements pour les adosser, pas seulement sur des bâtiments comme nous l'avons fait jusque-là, avec la SOGEPA, qui est la Société de gestion du patrimoine de l'État, mais voir des projets structurants et rentables, on lève les financements adossés à ce type de projet. Cela nous projetterait en tout cas sur des montants beaucoup plus importants. Nous avons aussi les projets pétroliers et gaziers. Sauf que nous avons une loi qui interdit de gager les ressources futures. Mais nous pouvons trouver, avec le ministère de l'économie et des finances, les moyens de lever le financement des contreparties du Sénégal dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Alors que nous partageons des valeurs attachées à notre religion commune qui est l'islam, en réalité, nous ne commerçons pas et n'investissons pas suffisamment entre nous. Et ça, c'est un constat. Pour tirer avantage des opportunités de la finance islamique, nos pays gagneraient certainement à partager leur expérience dans ce domaine. Au Sénégal, on a commencé à faire les WAF, les soukouk. Il faut aussi que les citoyens soient renseignés. Je suis sûr que si la Banque islamique du Sénégal faisait plus de communication en langue nationale, que les gens comprennent qu'ils pouvaient avoir leur niadrum, duromi drum, 1000 francs dans un soukouk, bien sûr, il faudrait un peu plus. On pourrait aussi renforcer l'épargne, l'épargne nationale dans le cadre de la finance islamique. Je voudrais de même inviter l'OCI, la Banque islamique de développement, ainsi que les institutions et organismes compétents à promouvoir davantage ce modèle de mobilisation des ressources pour le financement des projets publics et privés, en ayant l'espoir que vous releverez le défi. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte la septième édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie.